Ah, déjà, on peut dire qu'on a terminé en beauté. Voilà, 26 matchs, ce n'est pas évident. Le championnat, metti voilà, match bi gagné contre le mais finalement on a eu un match nul te nous terminé avec une défaite quoi ñi ngi sant la bu baax des finale. di bien sûr bien sûr match bi un reflet au final parce que y a ñaari équipe yu wara a final championnat avant la finale. donc ça veut dire que dañuy natante xol ku nekk niveau bi mu pour la bi ñu xol comment gérer ça mais Inch'Allah, nous dinañ def le tout ba gagner ko inshallah je peux dire que un bilan mitigé hein, parce que ak blessure yi feebar yi j'étais pas constant donc mais quand même je pense que apporter naa dara équipe bi quoi ça a beaucoup blessure je suis le meilleur de moi-même pour l'équipe équipe bi